le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam, le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalangou. Une émission dans laquelle se font des échanges sur des thématiques importantes de la vie et qui vous permet d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Il s'agit d'une émission que le Studio Kalangou diffuse à travers ses 45 radios partenaires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national du Niger et depuis le 1er octobre sur 5 télévisions partenaires, dont 4 à Niamey et 1 à Zender. Le forum de ce soir porte sur le thème de la baisse du niveau des élèves du primaire, causes et mesures d'amélioration. Comment se présente le niveau des élèves du primaire Quelles sont les causes de la baisse du niveau des élèves du primaire Quelles sont les mesures d'amélioration à envisager pour inverser la tendance Auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, c'est pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et bien d'autres que nous avons invité M. Isaka Oumarou, qui est le chargé à la formation syndicale et aux normes au niveau du SINASEP, Syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Euh, bonsoir, monsieur Oumaru. Euh, bonsoir, monsieur Al-Mustafa. Nous avons également invité monsieur Mamadou Babatouré, qui est le secrétaire général de l'Association nationale des parents d'élèves. Bonsoir, monsieur euh, Mamadou Babatouré. Bonsoir, monsieur Mustafa. Pour la modération de ce forum, Bakim Batour Al-Mustafa. Au Niger, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, en 2015, le taux brut de scolarisation au primaire était de 63,4%, le taux d'achèvement primaire était de 75,2%, des chiffres qui portent sur la quantité et qui sont loin de répondre aux préoccupations du moment. De nos jours, la question de la qualité de l'enseignement se pose avec acuité. L'un des constats qui se dégage est le suivant. Les élèves qui ne sont pas alphabétisés au bout de plus de 5 ans à l'école primaire sont nombreux. Une situation qui se répercute tout au long du cursus scolaire des élèves allant du secondaire à l'université. Devant une telle situation, les différents acteurs, notamment le gouvernement, les enseignants et les parents d'élèves, se rejettent souvent la faute. En juillet 2017, le ministère de l'enseignement primaire a organisé une évaluation des enseignants en vue de toiletter le milieu. Ainsi, sur 56 444 enseignants contractuels ayant composé 33,6% seulement ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20, 47% des candidats ont obtenu une note supérieure à 5 sur 20 et 20,3% ont obtenu une note inférieure à 5 sur 20. Ce soir, avec nos invités, qui sont des acteurs de l'éducation, nous allons échanger sur cette question de la baisse du niveau des élèves du primaire, de ses causes et des mesures à envisager pour améliorer pour un rehaussement du niveau des scolaires. Comme je le disais tantôt, nous avons avec nous le chargé à la formation euh, syndicale et aux normes au niveau du SINACIP, syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette question de baisse du niveau des élèves du primaire Est-ce une réalité Merci, M. Euh, Monsieur Al-Mustafa. Merci au secrétaire général de l'Association des parents d'élèves nous félicitons le studio Kalangu pour avoir euh, passé de l'audio au visuel et nous espérons que les autres régions aussi seront concernées par euh, la télévision. Et nous vous remercions aussi pour nous avoir donné l'occasion et l'opportunité de nous exprimer par rapport à cette euh, question très importante de la baisse de niveau dans nos écoles. Il faudrait dire que c'est une triste réalité. Nous sommes euh, très malheureusement aujourd'hui conscients, que ce soit parents d'élèves, que ce soit enseignants et même gouvernement, nous sommes conscients aujourd'hui que ça ne va pas dans nos écoles. Ça ne va pas dans nos écoles et à commencer par les écoles primaires. Tout simplement parce que les responsabilités sont partagées et les responsabilités se situent à plusieurs niveaux. Monsieur Oumarou euh, Isaka. Nous allons revenir à toutes ces questions de cause. À présent, nous allons peut-être euh, continuer avec euh, M. Mamadou Babatouré pour lui poser la question de savoir, en tant que représentant des parents d'élèves, secrétaire général au niveau de l'association nationale des parents d'élèves, comment les parents d'élèves ressentent cette situation, comment ils vivent cette situation de baisse de niveau eh, merci. Eh, nous rendons grâce à Allah qui nous a permis de répondre à votre sollicitation pour ce forum. Et nous remercions aussi eh, notre camarade, eh, les syndicalistes. Et nous remercions les studios Karangou et ses personnel eh, qui ne ménage aucun effort pour édifier les parents et la situation que vit l'école nigérienne. par rapport à la baisse des niveaux, c'est une réalité au Niger que vraiment l'école est en baisse, surtout au niveau primaire. Et par rapport à cette baisse de niveau, euh, les, responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Et nous qui sommes les parents, c'est nous qui vivons cette euh, situation au fond de nous. Parce que euh, quand on dit du baisse de niveau, on dit que on parle des, des enfants. Et les enfants, ce sont les parents qui suivent les enfants. Donc, s'il y a une baisse de niveau, c'est que nous, nous créons à ce que nos enfants, demain, ne soient pas euh, capables de remplacer ceux qui sont actuellement euh, dans, dans, l'activité euh, du Niger. Et donc, par rapport à ça, vraiment, nous constatons que nos enfants ont beaucoup de lacunes et qu'en réalité, vraiment, il y a beaucoup de problèmes par rapport à, cette situation de baisse de niveau. Et il y a beaucoup de paramètres qui concourent à cette baisse de niveau. Donc, pour l'instant, nous, pensons qu'il faut que euh, euh, les responsables éducatifs, qui est l'État, doivent vraiment euh, s'impliquer de plus et revoir la politique éducative au niveau du pays. Donc, euh, merci, monsieur euh, Mamadou Babatouré, secrétaire général de l'Association nationale des parents d'élèves. À présent, puisqu'il est unanimement admis que la baisse de niveau est une réalité au niveau euh, du primaire, des élèves de l'école primaire, nous allons parler des causes de cette baisse de niveau. Donc, nous allons poursuivre nos échanges avec le chargé à la formation syndicale et aux normes au niveau du SINASEP. Monsieur Oumarou Issaka. Euh, nous rappelons également que nous avons invité euh, le ministère des enseignements primaires, mais qui n'ont pas voulu répondre à notre invitation. Nous aimerions savoir, Monsieur Issaka, à votre avis, qu'est-ce qui est à la base de cette baisse de niveau des élèves au niveau du primaire Merci, euh, Monsieur Al-Mustafa. Donc, les raisons ou bien les causes de cette baisse de niveau dans notre pays sont multiples. Sont multiples tout simplement parce qu'il y a plusieurs facteurs qui ont concouru à cette baisse de niveau. Et très malheureusement, ce n'est pas euh, maintenant. C'est une situation qui a trop perduré et c'est une situation qui a été dénoncée par les partenaires sociaux de l'éducation, qui sont les syndicats et les associations, mais qui très malheureusement n'ont pas trouvé de solution. Vous avez tout de suite précisé que le ministère a été invité. Je pense que le ministère est l'institution habilitée à venir dans ce genre euh, de, de, forum pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Mais très malheureusement, nous constatons qu'à chaque fois, si le ministère est sollicité pour cela, il euh, brille par leur absence. Cela veut dire tout. Cela veut dire que la responsabilité, la grande responsabilité, c'est au niveau du, ministère. Mais maintenant, si on va dans les causes proprement dites, moi j'ai parlé tout de suite de la contractualisation de notre système éducatif. D'abord, il faut préciser que dans tous les pays du monde, Présentement, on ne parle plus de contractuel parce que on est tous unanimes que le système de la contractualisation est un système qui nuit au système éducatif. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait comprendre aujourd'hui quel genre de programme on est en, train d'enseigner dans nos écoles. Tous ceux qui savent ce qui se passe au niveau de, notre école de nos écoles primaires aujourd'hui savent que notre système éducatif est devenu une pépinière. Notre école publique est devenue un laboratoire où euh, par, par an, on peut peut-être se retrouver avec quatre programmes différents. Quatre programmes différents, s'il vous plaît. Dans un pays où il y a une politique éducative bien tracée, à chaque fois, les Occidentaux, les bailleurs de fonds, parce que nos autorités ont estimé qu'ils ne peuvent rien initier à, pour eux, ont fait appel, ou bien c'est des bailleurs de fonds qui viennent avec leur programme qu'ils mettent en expérimentation dans notre pays pendant trois ou quatre mois. Ensuite, ils s'en vont, d'autres viennent. J'ai compté peut-être de, entre 2019, en tout cas entre 2018 et 2020, nous sommes passés à à peu près six programmes, s'il vous plaît. Quel est l'enseignant qui a la capacité nécessaire pour assimiler six programmes Quel est l'élève qui, a la capacité intellectuelle d'assimiler six programmes dans son cursus, dans son cursus scolaire au niveau de l'école primaire Donc tout cela, c'est entre autres des causes de la baisse de niveau. Parce qu'il faudrait le dire, aujourd'hui, nous n'avons pas un programme d'enseignement fiable dans notre pays. Nous n'avons pas un programme d'enseignement fiable parce que tout simplement le ministère s'est lancé dans dans une forme de, de réforme, de, de, de désordre, parce qu'il faudrait comprendre que les réformes doivent être réfléchies sur notre territoire, les, réformes doivent être mises à doivent être mises au point en prenant en compte les aspirations et les réalités de notre pays. Mais très malheureusement, nous, nous, sommes, en, nous sommes en train de voir que c'est des réalités, de, les réalités extérieures qui sont en train d'être prises en compte dans les différents programmes que nous sommes en train d'enseigner. Parce que tout simplement, le bailleur de fonds, il vient avec son argent, on fait des séances de formation pour les inspecteurs, eux, ils prennent des leur perdium, ce n'est pas leur problème. Et le, le, vrai problème, c'est que l'enseignant qui est censé mettre en œuvre ce programme n'est pas bien formé. Parce que je me rappelle le dernier programme qui est en train d'être mis, à, euh, en exécution. Les inspecteurs ont été payés et ont été formés à, peu près pendant un mois. Et mhm. chaque jour, ils ont leur perdium qui s'élève à un peu plus de 50 000. Les conseillers pédagogiques ont été formés pendant au moins 15 jours, les directeurs d'école une semaine, mais l'enseignant, on le forme en une demi-journée et sans même perdium. Et on demande aux autres enseignants d'aller former leurs camarades dans les écoles. Aujourd'hui, dans les écoles primaires, il y a des enseignants qui n'ont pas pu participer à ces formations, sont obligés de passer une journée dans une classe de dans une classe de son collègue pour pouvoir euh, un peu assimiler. Donc vous voulez mettre en œuvre un programme, mais le principal acteur qui est l'enseignant, vous ne pouvez pas le former parce que tout simplement l'objectif que vous visez n'est pas forcément à l'enseignant de, eh, n'est pas forcément pour vous que l'enseignant assimile, mais l'objectif c'est de prendre des perdiums et d'aller et eh, encore prier Dieu pour qu'il ait un autre programme. Voilà ce, eh, une autre cause de la baisse de niveau. Et quand on voit même la politique de notre pays, le président de la République, le 7 avril 2011, quand il prêtait serment, il a dit dans son discours qu'il allait injecter 25%, c'est-à-dire le quart de, des ressources dans le système éducatif. Mais en réalité, il n'a jamais injecté 10%. Les enseignants, aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont recrutés qui n'ont jamais eu de salaire. Il n'y a pas de recrutement d'enseignants à la fonction publique. Il y a des enseignants contractuels qui n'attendent que, que, que, meilleur pour quitter l'enseignement, qui se disent que non, de toutes les façons, ils ne sont même pas enseignants et ce n'est pas la peine, ils ne sont pas obligés de, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ils n'attendent que d'avoir une autre issue pour quitter l'enseignement. Mais quand vous recrutez directement l'enseignant à la fonction publique, il sait qu'il est devenu enseignant, il ne peut que faire le travail d'un enseignant. Donc il, faut dire, il faudrait dire que d'abord, les infrastructures ne sont pas suffisantes. Dans les écoles, aujourd'hui, on a créé beaucoup d'écoles sans infrastructures on a créé beaucoup d'écoles sans infrastructure et souvent sans enseignants. Parce que vous, avez parlé tout à l'heure d'évaluation. L'évaluation qui a été faite par le ministère de l'Enseignement privé, nous, nous l'avons demandé en tant que structure syndicale, nous avons demandé l'audit du personnel enseignant. Quand nous avons demandé l'audit du personnel enseignant, c'est-à-dire pour nous, l'esprit, c'est de toiletter le personnel parce qu'il y avait des enseignants fictifs qui sont en train d'être payés mais qui n'existe que de nom. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des enseignants qui sont recrutés qui ne méritent pas, qui n'ont pas la compétence. Et ça, ce sont des recrutements qui sont faits sur la base des considérations politiques. Nous avons dit, ah, pour, qu'il pour que le personnel soit assaini, il faudrait faire l'évaluation. Mais comment est-ce que, dans quelles conditions l'évaluation s'est tenue nous savons que l'évaluation s'est tenue dans des conditions pour permettre à des inspecteurs de prendre l'argent pour faire passer pour faire passer des enseignants. Aujourd'hui, et à Niamey, nous avons vu un inspecteur, c'est avec son ordinateur que l'enseignant vient, il te demande tu as passé, tu n'as pas passé. Maintenant, quand il dit, quand tu n'as pas passé, tu reviens le soir, tu le vois, tu donnes. le lendemain, quand tu reviens, il dit que tu as passé. Donc, c'est dans ces conditions que l'évaluation s'est tenue. Et nous savons que l'évaluation n'a pas tenu en compte les vraies aspirations de nous qui avions demandé cette évaluation. Donc, entre autres, les causes de la baisse de niveau dans notre système éducatif sont multiples et multiformes. Mais nous allons tout simplement dire que la grande responsabilité, c'est au niveau de l'État, parce que c'est l'État qui prend des engagements, c'est l'État qui définit la politique éducative de notre pays, c'est l'État qui gère le personnel et c'est l'État qui ne met pas ce personnels dans des conditions nécessaires pour enseigner. Si M. Euh, monsieur euh, Isaka, chargé à la formation euh, syndicale et aux normes, nous allons poursuivre nos échanges avec euh, Monsieur Mamadou Babatouré, qui est représentant de l'association des parents d'élèves. Au regard de ce que vient de dire notre invité, Monsieur Oumarou Isaka, il y a aujourd'hui plusieurs causes qui sont à la base de cette baisse de niveau, notamment le changement continu des programmes, il y a la question des infrastructures qui ne sont pas, selon lui, au rendez-vous, il y a une grande responsabilité qui repose sur l'État, sachant que les parents d'élèves sont des acteurs clés également de l'éducation, qui, à qui souvent on rejette la faute. Que pensez-vous de cette situation euh, de baisse de niveau Quelles sont euh, véritablement les causes merci. Euh, vraiment, comme vient de dire M. Omarou, la baisse du niveau au niveau primaire est due à plusieurs facteurs il y a plusieurs facteurs et les facteurs sont énormes. Donc, euh, nous, en tant que parents d'élèves, nous savons qu'il y a la pauvreté. La pauvreté fait en sorte que les parents ne peuvent pas suivre l'éducation de leurs enfants au niveau même du domicile et plus, à plus forte raison maintenant l'accompagnement au niveau de l'école, ce qui a mené la démission totale de certains parents par rapport à l'éducation et à l'accompagnement de ces enfants dans les cursus scolaires. Et la deuxième euh, euh, euh, facteur, le deuxième facteur, il y a la non-motivation des enseignants. Les enseignants, ne sont pas motivés par rapport à leur temps qu'ils passent à l'école et maintenant par rapport à leur prise en charge et par rapport à leur, formation aussi, il n'y a, a, pas de motivation. Il y a aussi la non-vocation des enseignants. C'est pas sans savoir, il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas cette vocation d'enseigner, mais malheureusement, compte tenu des, circonstances et des, manques d'emploi, de, ils se lancent dans l'enseignement, mais ce n'est pas parce qu'ils ont l'amour d'enseigner. Et euh, il y a aussi euh, euh, un autre facteur, les critères, les, critères de recrutement des élèves maîtres. Vous n'êtes pas sans savoir, avant, quand on recrutait les élèves maîtres, c'est le maire qu'on oriente dans les génies. Mais maintenant, il euh, faut, aller voir comment ça se passe, le recrutement des élèves maîtres. Il y a aussi euh, euh, la politique éducative de l'État. La politique éducative de l'État et les multiples réformes qu'on est en train d'injecter ou qu'on est en train de, de, mettre chaque année, de changer les réformes, les réformes qui ne sont pas évaluées et ramènent d'autres réformes. Et ce qui fait que l'enseignant qui est censé dispenser le cours, le savoir aux enfants, lui-même n'a pas maîtrisé ses réformes. Et on amène une autre réforme. Maintenant, à plus forte raison, comment il va transmettre ces réformes-là aux apprenants Et aussi, les enfants ont des difficultés à, assimiler tous ces, changements de réformes. Et il y a aussi la politique qui s'est impliquée dans le système éducatif. Mmh. La nomination de certains responsables éducatifs, ça, ça, se passe par la politique. Ce qui fait que et qui sont venus sur le terrain par la politique, ils n'ont pas de considération à leur chef hiérarchique qui, qui sont censés les cadrer. Et il y a beaucoup de ces paramètres. Et aussi, il y a la contractualisation des, enseignants. Ça, vraiment, ça, c'est même ça qui a terni l'image de l'éducation nigérienne. On prend eh, eh, des, des, enseignants qui ne sont pas dans les mêmes catégories, certains en leur salaire à la fin du mois, D'autres, il faut attendre 45 jours, 50 jours pour qu'ils puissent avoir les salaires. Ce qui dit qu'ils n'ont pas cette motivation, ils n'ont pas cet amour eh, d'aller à l'école et, d'apprendre aux enfants. Il y a plusieurs paramètres qui ont concouru vraiment à, la baisse du niveau des enfants. Et voilà vraiment ce que nous voulons dire par rapport à cette euh, baisse du niveau. D'accord. Donc euh, merci Monsieur euh, Mamadou Babatouré, représentant de l'association des parents d'élèves, secrétaire général notamment au niveau de l'association nationale des parents d'élèves. Monsieur Issaka Omarou, on a parlé des critères euh, des recrutements des enseignants contractuels, on a parlé de la nomination de certains euh, acteurs de l'éducation, notamment les enseignants qui sont nommés par le biais de la politique et qui ne respectent pas la hiérarchie. Donc il y a euh, à ce niveau une faute une responsabilité des enseignants qui est mise en jeu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette question Merci. Et moi, je pense qu'ici, il n'y a pas de responsabilité des enseignants. Il y a plutôt une responsabilité responsabilité de l'État. Parce que si on parle de recrutement d'élèves maîtres, ce sont les élèves qui sont censés aller enseigner et étudier dans les écoles normales pour devenir des enseignants. Mais aujourd'hui, si l'État, qui est censé mettre en place des critères de recrutement, laisse le système très poreux ou bien se désengage de ce système pour permettre à n'importe qui de devenir enseignant, est-ce que c'est la faute à n'importe qui ou c'est la faute à celui qui a laissé ce n'importe qui devenir enseignant Parce que nous sommes dans un système où, nous sommes dans un monde où le parent d'élève l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'emploi. Donc, beaucoup d'enseignants sont là parce que tout simplement, ils n'ont pas trouvé mieux. Donc, au lieu de. Les gens te disent, il faut aller chercher même si c'est l'enseignement. Parce que là-bas, on estime que même si tu n'as pas de compétences, tu peux devenir enseignant. Ça, c'est la faute à qui Mhm. C'est la faute à l'État qui a laissé ce système se gangréner, permettre à n'importe qui de devenir enseignant. Mais nous, ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'État mette en place un système de recrutement très rigoureux. Il y a des recrutements au niveau de la douane, il y a des recrutements au niveau de la magistrature, il y a des recrutements au niveau du ministère des Finances. Quels sont, quel est le système mis en place pour faire ces recrutements C'est un système très rigoureux. Mhm. Souvent, ceux qui ne sont pas eh, non n'ont pas la compétence ne peuvent pas admettre. Mais au niveau des écoles normales, moi je te dis que, c'est-à-dire, il y a des enseignants qui ont été recrutés, qui ont été recrutés pour aller enseigner dans, et pour aller étudier dans les écoles normales, qui ne savent pas lire et écrire. Mais ça, c'est la faute à qui C'est la faute à qui Quand vous voyez, vous êtes ici un, organe de presse, mhm. mais celui qui, un passant qui est dehors, quand vous le prenez pour venir travailler ici, sans demander ou bien sans pour autant l'évaluer, s'il fait mal le travail, c'est la faute, c'est sa faute ou bien c'est votre faute. Parce que lui, il est en train de chercher du travail. Vous l'avez pris sans pour autant l'évaluer ou bien évaluer ses compétences. Mais lui, il cherche l'argent seulement. Pour lui, que le travail soit bien fait ou mal fait, c'est pas son problème. Donc, bref, c'est-à-dire ça, c'est la responsabilité de l'État. L'État doit s'intéresser au système parce qu'il faudrait comprendre que c'est parce que tout simplement le système éducatif, l'éducation, ça, il faut qu'on le précise. Ceux qui sont dans les écoles publiques sont les enfants des pauvres. C'est ce qui explique ce manque d'intérêt de nos autorités. Donc, on estime que même si les enseignants ne connaissent rien, ce sont les enfants des pauvres qu'ils vont enseigner. Maintenant, par rapport à la politisation, vous savez très bien, et il faut qu'on le dise, il n'y a pas un système qui a politisé l'administration que le système dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Le gouvernement de la 7 République a politisé à outrance l'administration parce que moi je sais que même pour nommer les simples directeurs d'école, d'abord qui n'ont aucun avantage pour accéder au, poste d'enseignant et de, de directeur d'école, je vous assure. Donc si jusqu'au directeur d'école, l'administration est politisée, on ne parle même plus des responsables au niveau régional ou bien au niveau des communes. Ça veut dire que là aussi la responsabilité incombe toujours au gouvernement et à l'État. Parce que nous sommes tous conscients. Et ça, tout le monde le sait, tous les Nigériens le savent. Quand on te nomme à cause de ta coloration politique. Tu n'as pas besoin de respecter ton supérieur hiérarchique parce que tout simplement, tu n'es pas venu de manière légale. Mais quand on sait qu'on est venu de manière légale, on est obligé de respecter son supérieur hiérarchique. Mais quand c'est la politique, quand c'est la politique qui te promet, qui te promet à un poste, mais tu n'as pas de compte à rendre à un supérieur hiérarchique. Souvent, tout, simplement parce que tu peux ne même pas être de la même coloration politique que ton supérieur hiérarchique, c'est peut-être un... Il représente aussi un parti allié de la majorité, mais qui n'a pas la même force que le parti au pouvoir. Donc ça aussi, il faudrait dire que que ça soit la politisation, que ça soit le recrutement, le, recrutement, le manque de rigueur dans le recrutement des élèves maîtres, c'est une responsabilité de l'État. Et tout cela parce que tout simplement, l'État actuel, le gouvernement actuel ne s'intéresse pas à abandonner le système éducatif parce que tout simplement on estime que ce sont les enfants des pauvres qui y sont. Monsieur euh, Isaac Omarou, euh, chargé à la formation euh, syndicale et aux normes au niveau du SINASEP, nous allons poursuivre nos échanges. Cette fois-ci, nous allons revenir à Mamadou Babatouré, représentant de l'Association nationale des parents d'élèves, qui est secrétaire général au niveau de cette association, on a à un certain moment constaté que euh, le changement de programme a amené à la suppression de certaines euh, matières au niveau de l'école primaire, notamment les dictées préparées, euh, la suppression même de l'évaluation qui permet aux élèves de quitter le primaire pour aller au collège, le CFEPD. Est-ce que, selon vous, cette situation a eu un impact sur aujourd'hui la question du niveau des élèves des primaires Merci. bien sûr, comme vous, comme vous le vient de le dire, eh, les changements de programme eh, a beaucoup impacté par rapport à, la qualité même de l'enseignement euh, et le niveau des enfants. Parce que eh, il faut voir, pendant une seule année, on peut amener deux programmes ou trois programmes pour injecter dans le système éducatif. Même les enseignants qui sont censés donner cette connaissance aux enfants n'ont pas bien maîtrisé le programme. Et comment ils vont maintenant les transmettre à ces enfants Il y a des lacunes il y a des difficultés par rapport à ça. Il faut, faut voir euh, euh, euh, auparavant les, régimes qui sont passés, qui sont précédés, des régimes passés, ils, ont, ils sont basés plus sur la qualité de l'enseignement que la quantité. Certes, compte tient de la démographie, il faut tenir compte de la quantité, mais il faut baser, c'est basé surtout sur la qualité. Et vous n'êtes pas sans savoir, tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui là, ils n'ont pas passé par ces, ces, systèmes. Ils ont bénéficié de la gratuité de l'éducation ils ont bénéficié vraiment d'une éducation de qualité qui les ont permis de, devenir ceux qu'ils sont aujourd'hui. Et malheureusement, ce qu'on constate, ils sont en train de vouloir délaisser l'éducation publique primaire pour, pour, pour, aller envers les euh, les écoles privées. Mhm. Les écoles privées. Vraiment, il faut tenir compte de ces paramètres. Plusieurs paramètres qui ont concouru à ce que l'éducation nigérienne est en train de régresser. Et pour cela, nous appelons à, ces autorités de se ressaisir, de se ressaisir, ramener les enfants dans les, les écoles publiques, ramener les enfants dans les écoles publiques et surtout mettre fin à la contractuation des enseignants. Donc merci Monsieur euh, Mamadou Babatouré. Nous allons revenir avec euh, Omar Ouissaka. Dites-nous qu'est-ce que vous, vous pensez de cette question de privatisation de l'école Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est parce qu'il y a eu euh, des écoles privées, les enfants des autorités, des acteurs même principaux de l'enseignement, de l'éducation, ne sont pas dans les écoles publiques. Donc les enfants des pauvres sont dans des écoles publiques alors qu'il y a de côté les enfants aisés qui se retrouvent dans les écoles privées. Que pensez-vous de cette situation Est-ce que ça contribue Merci. Et moi, je pense qu'il faut peut-être euh, les anciens sont là. Avant, on disait que aller dans le système privé était une honte parce que c'était seulement les enfants qui ont été chassés des écoles publiques qui se retrouvent dans les écoles privées. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Être au privé aujourd'hui, c'est un privilège parce qu'on sait peut-être que là-bas, au moins, même si, parce qu'il faut le dire, ce sont les mêmes enseignants qui sont au niveau du primaire et qui se retrouvent au niveau et qui, du, privé, qui se retrouvent au niveau du privé. La seule différence, c'est qu'au niveau du privé, il y a la relative régularité. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que les enseignants là-bas ne vont pas en débrayage. Les enseignants ne vont pas en débrayage. Et aujourd'hui, le système éducatif de notre pays a été démantelé au point où tout celui qui arrive à avoir 50 000 francs de salaire par mois ne va pas se hasarder à, laisser son enfant à l'école publique. C'est-à-dire que notre système éducatif aujourd'hui est à mal, très mal d'ailleurs, très mal. Parce que d'abord, il n'y a pas un programme défini par nos autorités qui prend en compte les réalités de notre pays qui est en train d'être enseigné. Les enseignants ne sont pas dans les conditions. L'administration est politisée et au niveau des autorités politiques on estime que l'école publique est faite pour les enfants de pauvres, donc on ne doit pas injecter de l'argent. Parce que aujourd'hui, si tout simplement la promesse faite par le président de la République, qui est d'injecter 25% des ressources dans le système éducatif. Mais si on injecte 25% des ressources réellement dans le système éducatif, personne ne va plus envoyer son enfant au privé parce que tout simplement le système va redevenir normal. Mais est-ce qu'au niveau de ce système, est-ce que les enseignants eux-mêmes ne s'adonnent pas plus au privé qu'au public Non, mais ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignant qui, au public, ne peut pas avoir un salaire qui peut lui euh, permettre de tenir de bout en bout. L'enseignant qui doit attendre 50 jours pour être payé. L'enseignant qui doit attendre 60 jours pour être payé. L'enseignant, aujourd'hui, moi, il faudrait que qu'on comprenne une chose. Aujourd'hui, la plupart des enseignants créent à main de notre système éducatif sont contractuels. Et vous savez, aujourd'hui, on a obligé ces contractuels à être payés au niveau d'une institution financière qui est Niger Post. Donc, voyez-vous la légèreté avec laquelle on prend le système éducatif. 80% des enseignants créés à main sont obligés de domicilier leur salaire dans une institution financière. Et ce Niger Post n'a pas les compétences nécessaires pour payer. Chaque fois, il y a des problèmes de pécule. L'enseignant qui quitte sa zone rurale pour venir en zone urbaine pour toucher son pécule trouve que dans son pécule il y a un problème de coupure et il va y rester pendant deux ou trois jours pour essayer de régler combien de temps il va prendre pour toucher son pécule et retourner alors que les enfants des pauvres sont laissés à, à eux-mêmes dans la brousse. Donc il faudrait dire que tout cela, est dû tout simplement à un démantèlement programmé de notre système éducatif. Les écoles privées ont eu de la chance parce qu'on a démantelé le système éducatif. Mais il faudrait qu'on comprenne que si le système ne marche pas, c'est y compris les écoles privées. C'est y compris aujourd'hui même les écoles privées. Si on estime qu'on a suffisamment de l'argent, on peut envoyer son enfant dans les écoles privées. On peut envoyer son enfant à l'extérieur et délaisser le système éducatif public de son pays, on se trompe. Parce que dans un pays, c'est le système éducatif qui est la clé de voûte de la société. Et tant que la société ne marche pas, tant que la société n'évolue pas, tant que la société ne se développe pas, votre enfant peut aller étudier dans la plus prestigieuse école de l'extérieur. Il va venir dans une société pourrie, dans une société non scolarisée, dans une société gangrénée par plusieurs mots. D'accord, donc euh, la société, euh, il faudrait qu'il y ait de l'éducation. Nous allons revenir avec Monsieur Mamadou Babatouré. Dites-nous, euh, est-ce que en tant qu'acteur de l'éducation, en tant que parent d'élève, vous avez connaissance des mesures qui sont en train d'être envisagées pour faire en sorte qu'il y ait une amélioration du niveau des élèves au niveau du primaire, amélioration de l'école nigérienne Merci. Certes, euh, depuis la rentrée, depuis la rentrée, il y a eu euh, de nouveaux euh, réformes. Ce sont les réformes qui viennent chaque fois. Ce sont les réformes. Donc, les réformes qui sont injectées dans le système éducatif à la recherche de l'amélioration de la qualité. Jusqu'à présent, puisque c'est un débit, même les anciens n'ont pas maîtrisé ces réformes, à plus forte raison que les enfants à qui on dispense ce cours-là puissent assimiler et comprendre. Donc, on est en train de le suivre Certes, on est associé par rapport à, au nouveau programme, les PMAC. C'est pas sans savoir, il y, a, il y, deux ans de cela, ils ont amené les PMN, le euh, programme de mise à niveau. Maintenant, le programme de mise à niveau qu'on a mis dans le système éducatif, ce qui fait qu'on prend en charge les enfants, la lecture et la mathématique des enfants pendant euh, le premier trimestre. Maintenant, cette année, ils ont amené un nouveau programme qu'ils ont injecté, qu'ils ont, euh, qui s'appelle le PMAC. Ça aussi, c'est dans l'accompagnement euh, de la recherche de, la qualité de l'éducation qui fait que, qui en sorte que le soir, les enfants, quand ils vont revenir, ils vont être euh, regroupés dans une même classe. Puisqu'il y, a, il y aura une présélection, une présélection des, des, élèves, un prétexte qu'ils vont faire pour les élèves pour savoir le niveau de chaque enfant. De chaque enfant. Maintenant, et compte tenu de ces niveaux, ils vont classer, ils vont catégoriser les enfants par rapport à leur niveau. Et maintenant, le soir, quand les enfants vont euh, revenir à l'école, ils vont les regrouper. Même si un enfant qui est euh, au niveau du CM2, on peut le ramener au niveau du CP, avec les élèves du CP, pour, euh, à la recherche de cette qualité. Et pensez-vous que ce, système peut permettre l'amélioration de, de, du niveau à ah, Nous, en tant que parents, on ne peut pas vraiment les juger, mhm. puisque c'est maintenant qu'ils sont en train de les mettre en, œuvre. en, œuvre. Donc, on ne peut pas les juger on va attendre voir jusqu'à la fin de l'année qu'est-ce que ça va donner, jusqu'à la fin de la mise du programme. Donc quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des autorités, à l'endroit de ceux qui ont euh, leur apport à apporter dans cette question de l'éducation pour qu'il y ait une amélioration du niveau euh, Ce que nous, nous pensons, pour qu'il y ait une amélioration de l'éducation euh, et aussi dans, notre pays, la seule chose est que ces autorités-là, qu'ils reviennent, comme on dit en Hausa, qui vraiment au même niveau que le peuple voir d'où ce qu'ils sont sortis où ce qu'ils sont sortis comment ils ont passé leur cursus scolaire et comment ils ont suivi les différents programmes et comment ils ont été entretenus pendant toute cette période qu'ils ramènent leurs enfants dans les écoles publiques pour qu'ils puissent vraiment avoir un œil regardant par rapport à ce qui se passe dans les écoles publiques. D'accord. Donc, euh, et deuxièmement, uh-huh il faut bannir cette contractualisation des enseignants. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, ces enseignants qu'on a pris comme contrat, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Il faut le mettre tous les enseignants dans les mêmes pieds d'égalité pour qu'on puisse avoir une qualité d'éducation. Voilà ce que nous. D'accord. Donc, merci Mamadou Babatouré, euh, secrétaire général de l'Association nationale des parents d'élèves. Nous allons euh, revenir avec M. Oumar Issaka. Nous sommes presque à la fin de notre euh, émission. Dites-nous, au regard de cette question du nouveau système qui sera mis en œuvre pour l'amélioration, est-ce que vous pensez que ça peut permettre un rehaussement du niveau des élèves au niveau du primaire Et quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des différentes autorités qui interviennent dans le domaine de l'éducation pour permettre euh, une amélioration de l'école nigérienne. Merci. Donc, euh, ce qu'il faut préciser, c'est que ce nouveau programme dont il a, il a, parlé, ce sont des enseignants qui sont censés mettre en œuvre ce programme. Et c'est des enseignants qui n'ont pas assimilé ce programme. Comment voulez-vous que ce programme contribue à l'amélioration de la qualité Ça, c'est un échec patent. Et c'est un échec programmé. Ils le savent très bien. Le ministère sait que c'est un échec mais tout simplement parce que derrière, il y a de l'argent, on prend, on met en œuvre. On ne se soucie pas du résultat. Aujourd'hui, prenez votre, vos micros, allez-y dans les écoles. Demandez aux enseignants. Il n'y a pas un seul enseignant qui est imprégné de ce nouveau programme-là. Mais un programme qu'on n'a pas assimilé. Comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre jusqu'à ce que ça, devienne, ça donne un résultat positif Non. Mais au niveau du ministère, je te dis, ils savent très bien que c'est un échec. Mhm. Mais le paradoxe, c'est que aujourd'hui, tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui nous dirigent, sans exception, sont des enfants de pauvres qui ont bénéficié d'un système éducatif très sain, d'un système éducatif mise en place par des gouvernements soucieux du devenir de ce pays, mais qui aujourd'hui ont procédé au démantèlement de ce même système. C'est paradoxal quand même. Parce que si on est peut-être un enfant des riches qui n'a pas passé par le système éducatif public, on peut peut-être ne pas comprendre l'importance. Le président de la République, dans son discours, a dit qu'il est la parfaite illusion et illustration de l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est quoi C'est donner la même chance et à l'enfant du pauvre et à l'enfant du riche. De la même manière où l'enfant du riche doit avoir la chance d'aller, de faire un cursus scolaire normal, c'est de cette même manière que les autorités doivent avoir l'obligation morale de faire en sorte que le système de notre pays donne cette même chance aux enfants des pauvres. Mais très malheureusement, c'est tout à fait le contraire. Ils sont des enfants des pauvres qui ont bénéficié du système éducatif, mais qui ont démantelé ce système. Maintenant, pour revenir à la question, quelle solution nous pouvons faire C'est d'abord de dépolitiser. La première des choses, c'est de dépolitiser le système éducatif. Nommer des ministres qui sont à la hauteur. Parce que, évidemment, si on nomme un responsable qui a la hauteur, les autres services aussi, à la tête des autres services, il y aura des hommes, des hommes qui seront à la hauteur. Maintenant, prendre en compte les réelles revendications des enseignants. Nous avons un protocole d'accord que nous avons signé avec le gouvernement le 13 décembre 2016. Un protocole d'accord sur lequel le gouvernement de notre pays a été représenté par au moins 10 ministres devant le Premier ministre, devant les responsables de l'association des parents d'élèves, devant les chefs coutumiers, mhm. devant les chefs religieux. Ils ont pris des engagements qui, jusqu'à cette date, ils n'ont pas pu honorer. Comment est-ce qu'on peut avoir un système éducatif dans ce mhm. sens Donc d'abord, prendre en compte les aspirations des enseignants, mhm. dépolitiser l'administration et mettre fin de manière définitive à la contractualisation. Des enseignants. D'accord, donc merci mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la thématique de la baisse du niveau des élèves du primaire, causes et mesures d'amélioration. Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait créer les conditions de dépolitiser le système éducatif, qu'il faudrait donner la même chance aux enfants des pauvres et aux enfants aisés dans les différentes écoles au niveau euh, du Niger. Il faut donner la priorité aux écoles publiques et également créer les conditions de prendre en compte les revendications des enseignants. C'est ce qui permettra une amélioration de l'éducation au niveau du primaire et faire en sorte que l'école nigérienne puisse retrouver ses lettres de noblesse. En espérant que le forum vous a permis d'obtenir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez au quotidien. Nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu, qui sont répartis sur 45 radios partenaires et depuis le 1er octobre sur 5 télévisions partenaires, dont 4 à Niamey et une à Zender. Nous étions dans ce forum avec Monsieur Umaru Isaka, qui est le chargé à la formation syndicale et aux normes au niveau du SINASEP. Nous étions également avec Monsieur Mamadou Babatouré, qui est le secrétaire général de l'Association nationale des parents d'élèves, et à la présentation Bakim Batouré Al-Mustafa. Il faudrait rappeler que nous avons invité pour ce forum le ministère de l'enseignement primaire, mais qui n'a pas euh, voulu répondre présent pour la tenue de ce présent forum. À la régie technique, nous avons Abdelkader Timbiano. Régie vidéo, nous étions avec euh, Mustafa Ayouba. Merci, euh, chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, et à bientôt pour un autre forum sur des thématiques d'actualité.